Les autorités sont au courant de la situation que nous vivons. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Dès qu'il pleut, le même problème surgit. Les autorités étaient en train de le solutionner quand il y a eu cette pluie. Même ce matin, j'étais ici avec les agents de l'entreprise Valimo chargés des travaux. Ils étaient aussi venus voir ce qui s'est passé. Vraiment, toutes les maisons étaient remplies d'eau. D'ici à un peu plus en amont, le cadre des concessions sont inondés, causant ainsi d'énormes dégâts. Même les chèvres que vous savez détestent se mouiller ont passé la nuit dans l'eau. Nous avons même averti le maire du premier arrondissement.